Jacques Diop, euh, c'est un jeune comme euh, tous les Médinois qui est né à la Médina, qui a grandi à la Médina. Djangé aussi, école Médina 5, après le lycée, après le bac d'EF, euh, Université Cheikh Diop, Université de Dakar. Après dem défi des études en communication en Allemagne à Mainz, après aussi dem à l'université de Liège def de littérature de jeunesse ñibbisiwaat fii Bon, j'ai travaillé au niveau, j'étais stagiaire au niveau du ministère de la Culture, après à Blessingon, euh, def aussi euh, le euh, conseil économique et social, la fonction publique, le ministère du commerce, Je Mangifi au ministère des sports depuis une dizaine d'années Youssou Ndaw Yangena naa aussi euh, Kerwa waa après aussi dem kër Mursin Moussine lui Saint-Louis aussi j'ai soigné soo man par exemple rue 11 je suis juddoo tey

Par exemple, je fais allusion au docteur Abdoulaye Sek. On s'appelle régulièrement, même aujourd'hui il est ambassadeur, le ministre est ambassadeur, mais on s'appelle régulièrement. Euh, madame Maïmouna euh, Ndoy Sek, euh, c'est lui qui m'a encadré dans le dans le sport. Ah, à, l'époque, j'étais un jeune joueur cadet à l'ASC d'Amels. Les lui encadré. Euh, par exemple, Seydou c'est un grand frère que je respecte beaucoup maa ngi koy jaale ci frère bi Assane c'est mon Assane c'est mon promotionnaire c'est c'est de ma génération bi génn la semaine dernière da nga daan dem diine rek lay wax yaay ñom man dañ daan dem ni keur Seydou Gueye di lekk yaayam moñ doon yaayam aussi yalla nako yalla yàlla xare àjjana donc lolu moi j'ai des j'ai des j'ai des j'ai des très bons rapports avec ces gens-là les Ramès Bourgi les Bokar Sek, les Lamine diak les les les Diafara Anne les les aladji Dut Dial c'était des sommités yo xamni ku len ku len côtoyé ay aladji Dut Baas ay aladji Ahmed Diène ku len côtoyé euh, da nga daan gis ci ñoom ay valeur léegi nag bon moi j'ai de très bons rapports avec tous les politiciens que ce soit ceux de l'opposition que ce soit ceux de la mouvance parce que xam nga lu tax man damay jàppee euh, nit ci benn côté damay jox cër ñëpp parce que ñoo dëkk ñii suma ay mag lañu ñii sama ay xarit lañu ñii sama ay àndandoo lañu ñii sama ay frère lañu moi je suis avec Cheikh Ba euh, et ça je l'affirme xam nga en toute et haute autorité et intelligence sa construction, de son émergence. La Médina est en retard par rapport à certaines communes. Ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Euh, euh peut-être nous, nous n'avons pas encore eu la chance peut-être d'avoir un maire qui a, à la, qui, qui a, des ambitions vraiment très, très, qui a une vision très large de ses ambitions et qui peut aujourd'hui peut-être euh, nous donner ce que nous attendons de la Médina. Je suis quelqu'un qui relativise et qui croit au destin d'un individu. Le maire peut-être que Dieu a choisi et a tracé son destin, il faut le prendre tel. Moi, je suis un croyant, je suis un musulman. Aujourd'hui, là où je suis, c'est parce que Dieu a voulu que je, sois. Et moi, peut-être que les gens me voient sous, sous l'angle d'un sportif. Mais moi, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait de la politique. Moi, j'ai grandi sous l'aile protectrice d'Abdoulaye Martar Diop. Non, j'ai pas d'ambition, honnêtement. J'ai pas d'ambition pour être maire. J'ai pas d'ambition. Je n'ai pas d'ambition pour être maire. Je n'ai pas d'ambition pour être même conseiller municipal. Mais j'ai une ambition pour accompagner cher Ahmed Tidjanba et ça je l'affirme de façon péremptoire et courageuse parce que gis naa ni mom li def ci Médina sur le plan social Cheikh nit ñi légui dañ ko xam moi je l'ai connu à l'époque on était ensemble à Medina 5 Cheikh récréation sax da daan jël goutem diko partager et les gens xamuñu Cheikh parce que Cheikh c'était le président de la commission sociale à l'ENAM donc kooku so gisee tay nekul maire muy def lo xamni ci Médina ben maire mënu su ko def ça je lève ma main oh pour le dire donc on doit pouvoir l'accompagner et le porter xam nga ñun lan lañu ñu war def hein ñun dañu war a tungóob cheikh mu àjj mango muy àjj mango du ñu jox. cheikh il faut mu xam ni moom moomatul boppam xëy na mën na moom genn wàllam mais genn wàllam moomatu ko parce que xam nga tax moomatu ko dafa am ñu mu àndal te ñi andal. àndal loolu la bëgg mais nous c'est ce que nous souhaitons en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite qu'il soit maire et peut-être même plus que ça xam nga il est prêt xam nga Cheikh dafa doon politicien boo xam dafa yarum mosoo ko dégg mu wax nit lu bon mosoo ko dégg aussi mu jël au moins une décision qui est en déphasage avec la mouvance présidentielle mais bés bu jotee inshallah allah rabbi dina ci prononcé wu wala boog le au moins bu boobaa waa Médina ñoo koy wax yow la ñu soxla. da ngeen di fàtte benn affaire Cheikh Ahmed Tidiane ba booy Médina la Médina la juddoo fa la yaroo ba pare def prytanée militaire sept ans de la sixième à la terminale yéen a ngeen di fàtte ba ba pare jàngee Cheikh Anta Diop. 50 ans directeur général des impôts et domaines, presque 11 directions. C'est la seule direction qui gère 11 directions dans ce pays là dans pays là donc façon de bu donc ragal ba de non pas koy parce que bay di ay nit wax way euh, ragal ak c'est un maire aux abois man j'ai beaucoup de respect pour le maire parce que monsieur leen ma wax mais depuis qu'il a eu à prononcer de tels propos dama ni vraiment ki ñun ñoo medina ñoo tooñ seen bopp sax jox ko sen passe jox ko s'en s'en sen s'en nu sen commune mu nek le premier magistrat mais nag am na aussi on a vu hein sous l'acte 3 de la décentralisation des maires par défaut et par accident il en fait partie il en fait partie qu'on le veuille ou pas c'est un maire par défaut et par accident moi je pense qu'aujourd'hui, euh, lui, il voit Cheikh comme son adversaire, <laughs> mais Cheikh ba dépasser nous. politique du métier diar Il la Ni ko le métier après da nga une di donc nit da ngay qualification Cheikh a qualification depuis qu'il est sorti de l'ENAM il a toujours travaillé ñun <laughs> buñ ko il aussi cursus ñun Medina lañu juddoo lañu ñu yaroo fii la ñu màggee fii xam nañu ragal yi fii xam nañu niñ doon dugal kaso ñuy jooy xam nga di lekk ay suukar ak yooyu pour ne dañuy jabet donc bu ñu tax wax ñun on est dans un système où on comprend tout jox nit ñi cër gis nañ fi ñiñ fi ñiñ fi yóbbuwoon comprendre nga ñiñ fi yóbbuwoon euh, journée mondiale de la jeunesse ñu daw dem Italie ñun bokkuñu ci ñooñu waaye mais le maire en personne avec le Conseil national de la jeunesse. Bob Mbake Sek, président Conseil national de la jeunesse. Nous, on a vécu dans les mouvements d'association On assumera pleinement. quand je faisais, quand je devais soutenir Cheikh Ahmed Yanba, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma femme, mes enfants. Je leur dis que je vais soutenir Cheikh Ahmed Yanba. C'est bon, nous savons, nous sommes mais j'en assume.